d'abord euh, rendre grâce à Dieu qui, malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qui a été fait pour nous empêcher aujourd'hui, nous, d'être derrière un candidat, nous avons aujourd'hui un candidat dont le bulletin se retrouve sur la table et aujourd'hui est en train d'être mis dans les urnes pour être rempli à ras Donc c'est déjà euh, un élément qui doit nous permettre de rendre grâce à Dieu. Parce que si la volonté du pouvoir a été, satisfaite, aujourd'hui, ni Pastef, ni les membres de sa coalition n'auraient eu de candidat. Donc, la volonté du Tout-Puissant a prévalu sur la volonté d'un dictateur, d'un tyran. Premier élément. Le second élément, c'est que là, rendre grâce à Dieu également d'avoir eu un soutien absolu du peuple sur le terrain. Nous avons fait village, nous avons fait ville, nous avons fait campagne. Nous avons fait des porte-à-porte. Nous avons couru dans les rues, nous avons parlé à tout le monde. Et le sondage naturel fait par le peuple nous dit que nous donneront la victoire au premier tour. Nous l'espérons et nous l'attendons absolument par la grâce de Dieu toujours. Pour le moment, sur l'organisation, peut il y a toujours quelques inquiétudes à relever parce qu'il nous est signalé des endroits où les représentants n'ont pas été, des endroits où, par exemple, bon, il faudra qu'on attire l'attention sur cela parce que des bulletins sont collés de diamants, donc on risque de mettre des bulletins dans les urnes. Donc nous voulions alerter sur tout ceci. Pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas relevé de, de, de, à l'exception d'un fait que je constate ici, c'est que une responsable de l'APR est là dans le centre et est en train de distribuer de l'argent. J'appelle tous nos représentants à rester vigilants on ne fera de cadeau à personne. Parce que quelqu'un qui veut corrompre le vote joue au truand et le destin d'un truand, c'est d'être combattu publiquement. On alerte, on alerte. Nous disons à ceux qui sont en train de le faire ici que nous avons bien identifié d'arrêter. Parce qu'on ne fera de cadeau à personne. Cette victoire-là, on ne va pas la corrompre, on ne va pas la voler. On donne rendez-vous à 18h. Mais on dit à tous qui surveillent, restez ici, regardez, gardez les yeux ouverts. On ne fera pas de cadeau aujourd'hui.

xolal caaxaan dafa jeex ci dëkk bi nañu voter tranquillement ki Sénégalais yi bëgg mu nekk président mu nekk président ku xam ne kii sa bilan wóor na la sa doole wóor na la sa programme wóor na la li ngay indi Sénégalais yi wóor na la soxla war joxe xaalis ñun joxuñu kenn dërëm joxuñu kenn t-shirt joxuñu kenn lenn na Sénégalais yi voter tranquillement pour le moment ça se déroule ça se déroule normalement et c'est l'occasion pour nous encore ñu remercier waat le commandement territorial sous-préfet préfet le travail qu'ils ont fait ici est un travail qui travail ici le maire de Thiès est là le coordinateur départemental de la coalition est là nous sommes tous là pour le constater et nous féliciter et les services d'ordre nous la transparence du vote lañ wax di sénégalais dit, bu may ñu non mais euh, ça facilite encore les choses ça facilite le ramadan xamuñu wax wax deug yalla xamuñu wir wir jaari ndaar yi le ramadan facilite énormément les choses parce que ay pause añ ak tout ce qu'il y a tout ce qu'on a entendu sur li xew ci ay pause añ amu fi instant moom pause résultat mo fi am donc dañuy voter tranquillement ba ngone jot ñu ñu di récupérer ces résultats bi récupérer la victoire on donne rendez-vous à tout le monde inshallah allahu rabbi ci ngone gi pour wax leen leen li ñu doon xaar ndam li ñu doon xaar agsi ñoko bokk mais c'est pour Sénégal ndax ñun ñëpp ñoko ko bokk nañu rafetal

maanaam jub jubal jubanti def nga programme wóolu nga sa bopp mais bul bul bul jënd bul jënd dara dadu toute façon taaxi kaw fii taaxi fii ay gor ñoo fi ne kenn du leen jënd kenn musu leen jënd du tey lay tàmbali ma ni kenn musu jënd laa wax du tey lay tàmbali nit du nekk fii taxawaalu ba heure bu la nekk ñoo ne da ngay da ngay jënd non ñu ngi leen di xaar maa ko wax sunu responsable yi ku fi gis ku fi def loolu defal leen ko bagage man maa ko santaane ñaan sénégalais yi loolu la ñu woon ci biti am nañ ñoo ko bu ngoone loolu mooy xew asalaamaaleykum wa rahmatullah